Merci de nous en donner l'occasion. Effectivement, depuis hier, nous sommes en tournée. Et comme promis, nous, avions commencé, nous avons commencé par euh, rendre visite aux chefs religieux. Nous l'aurons fait à Darubaire, nous l'aurons fait à Tchaneba. Nous sommes aujourd'hui chez notre papa, c'est qui aura prié pour nous et le discours aura été écouté par tous un discours encourageant. Euh, parce que tout simplement, ce sont des personnes qui comprennent aujourd'hui les enjeux qu'il y a pour le Sénégal. Donc euh, nous sommes globalement très satisfaits. En ce qui concerne les visites dans les communes, donc euh, hier, nous avons fait la commune de Tchénéba. Aujourd'hui, nous avons fait Etoubatoul et Sira je crois comprendre que nous sommes sur la bonne voie. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'attends toujours que les résultats tombent pour euh, esquisser les pas de danse. Mais aujourd'hui, je suis très satisfait et je pense que tous ceux-là qui nous accompagnent sont aussi satisfaits parce que nous avons écouté les populations. Il n'y a pas beaucoup de parce que, en ce qui concerne la zone rurale, elle a toujours été oubliée. Je crois comprendre qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont dans la zone rurale ont compris que c'est un président qui met tous les Sénégalais sur le même pied. C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons la chance d'engranger un maximum de voix dans la zone rurale, euh, sans pour autant euh, ne pas penser que dans la ville, nous allons aussi mettre les bouchées doubles et que nous allons gagner aussi. Parce que tout simplement, je pense que tous ceux qui sont responsables, tous les responsables de la ville ont travaillé à nous donner la majorité. Et je crois comprendre qu'aujourd'hui, la tendance est là et elle est pour le Beno Bokeyaka. Et qu'est-ce qui peut convaincre les électeurs, justement, au niveau du département Mais ce sont les réalisations du président. C'est la vision du président de la République. Vous avez vu ce qu'on appelle les bourses familiales. donc on dit que 100 000 francs, ce n'est rien. Ce n'est rien pour des milliardaires, mais c'est beaucoup pour nous les campagnards. Il y a aussi les réalisations du plan d'urgence de développement communautaire, euh, que ce soit les routes, donc des pistes, euh, que ce soit les forages, donc l'eau, mais que ce soit aussi l'électrification. on avait pensé que l'électricité, c'était pour la, la ville. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes convaincus que pour le président de la République, l'électricité doit aller aussi dans la campagne. Donc c'est toutes ces réalisations et les grands projets du président de la République. Parce qu'il ne faut pas penser que les campagnards aussi ne savent pas ce que le président est en train de faire pour ce pays. Que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, si vous voulez, dans tous les domaines qui peuvent concourir à l'émergence de notre pays. Je pense que même dans la zone rurale aussi, nous avons compris que le président aime son pays et il veut qu'il soit émergent euh, d'ici très bientôt. Euh, le message, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'elle comprenne que, la boule a tourné et que nous devons travailler avec ce président actuel qui est un président d'après né après les indépendances, mais qui est, qui c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait faire quelque chose pour tous les Sénégalais. Et je pense que c'est ce qui se voit un peu partout, je l'ai dit tantôt, que ce soit dans la zone rurale comme dans la zone urbaine, je pense que les réalisations du gouvernement vont faire en sorte que nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale. waaw xanaa am mbégte rek nous euh, commencé effectivement donc euh, tournée comme nous ñu ko baaxoo du def Sénégal maanaam képp ku jóg day dem ci li wax chef religieux moo xam chrétien la moo xam musulman dem taataan si fa ay pour commencer donc euh, tournée bi ci Eh, te xalaat di eh, jeexal ko aussi ci jàmm eh, commencé nañ ko démb donc def def nañu ay chef religieux léegi nag aussi commencé nañu tournée bi démb ñu ngi woon cene ba tey dem nañu Touba Toul dem nañu Ndiayène Sira mais li ñu fa dégg ak li ñu gis non seulement engouement te xam nañu ni nit ñaa ngi ci nawet mais malgré ça ñu ngi ñu doon teeru parce que nee nañu dañoo kontaan ci li président def li li ci jiitu ci li président def mooy li ñuy wax bourse yi mooy ñaari fukki junni yi nga xam ne at bu jot maanaam dañ koy jox néew di doole loolu lu am solo beneen bi mooy couverture maladie universelle xam nañu ko fekk na leen fa donc xam nañu luy donc couverture maladie universelle xam nañu aussi ni que président programme bi ñu wax euh, urgence euh, de développement communautaire àgg na ci ñoom parce que ndox maa ngi ñëw yaakaar naa bu ngeen demee ci gox yi di ngeen gis ni ndox maa ngi baawaan da ngeen gis aussi ni que am na ay am na foo xam ne nit ñi ba nawetee mënuñu woon génn mais fi mu ne nii président dafa def na fa ay piste électricité aussi am na ñu yaakaaroon ne électricité pour taax yi rek mais président de la république nee na sénégalais ñoo yem donc c'est normal que électricité bi aussi donc àgg ci àll bi donc pour wax ni en tout cas président de la république vision bi mu am moo xam ci mbirum éducation moo xam ci mbirum santé moo xam ci mbirum économie générale am nañu yaakaar ni sénégalais yi gis nañu ni Qui le président bi nga xamni mo gën ci président yi té yok ci ni assemblée nationale bi président bu ci amé majorité am nañu yaakaar ni dina dal dina mëna liggéey tranquillement en direction de 2019 parce que sénégalais yi nee peut-être dañu yaakaaroon ni assemblée nationale bi mëna ñu joxé ay voix rek parce que pour que mu am couleur loolu mën te ñàkk naam mais assemblée nationale lu am solo la pour président de la république pour mëna liggéey en toute tranquillité mu am fa majorité parce que lii dama gëm ni échauffement la rek liggéey bi ci élection présidentielle bi lay doon pour que président deuxième mandat bi nee na ñu taxaw na ba pare mais euh, dañoo bëgg rek mu jaarale ci élection législative yi te am nañu yaakaar ni dinañu ko gagner largement parce que tout simplement en tout cas sénégalais yi ñu dégg population yi ñu dégg am nañu yaakaar ni ñii caaxaanuñu dinañu voter président de la République. Balbe mi ngi sama tànk xam naa ni may jaaree du ma wax ay waxi Ablaye Wade ak keneen. fi mu ne nii ñun taxaw nañu pour gagner loolu moom xalaatuñu ko sax ce n'est pas un problème pour nous jërëjëf.